Eh, awon ma alaji wala wa wa ya ino ti alaji insha Allah lai kasu suru zanga mate wallahi ar wande a hai gudu ta wai zinka me wallahi ta wai fano mangoro ma gwamnan da suji har yanyin sihawu albura bani imne ni zifasi nimne nim makani ya kine eh ayo doga dan dai sai ayo feji follow na program e eh, feji fono ru nai sai har yanyin sihawu har yanyin sihawu men wanda kai <laughs> nimna yanyin sihawu ya din digite Hey. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Hey. rappelez certainement de Trip Mamachi. Ils étaient hier sur l'émission Franco Aoussa. Vous avez eu un certain nombre d'informations en ce qui concerne cette formation. Mesdames et messieurs, aujourd'hui sur cette émission, nous allons renouer toutes les conditions qu'il faut pour parler des vidéos qui sont déjà disponibles sur leur page. Le contenu en question de cette formation. Les gars, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue sur cette émission. Ça va, tout se passe bien Oui, ça va. On va aller directement au but parce que on a déjà, euh, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations sur vous. On sait euh, qui vous êtes. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu de vos contenus. Nous allons parler un peu des vidéos qui sont déjà disponibles. Vous avez commencé par quoi Et c'était en quelle année 72 fait combien de mots 72 hmm. fait combien de mots Ça veut dire quoi 72 fait combien de mots <laughs> Pour a perturber, non quoi 72 combien de mots? Voilà mille nombres nommé. Ding ding ding ogoro ni ogoro fait 72 combien de mots? Ni gartu. Borga gartu. Mm. Ok. Donc le mot nous arrêtez Tinder. Ce 72 font combien de mots? 72 font combien de mots? 72. Un mot combien de mots? Voilà mille nombres. Hayon inèmè. Chiffre inèmè. Oh combien de mots a été? Voilà <laughs> gartu. 72. Mm. Donc 72 euh, mots. 12.

majan na kilaza ah amma famar sannu oh. bai wazai din koi <laughs> igine wa hagoi da yaran kurnye yaran kurnye yaran naki lai si kala yaran kurnye don kun go an kurnyo mm. kardi kurnyo to kafun go hu pa na rama an ce ka an ce ka ce ami ka go ngu fura aljanna dai no ya ni kilaza fa ni manga kila ah wa c'est un peu ça mm. ok maintenant dirne la sabote dirne la sabo sambu mm. aran o trip mamaci video marjino wara c'est de disponible bon environ 30 vidéos 30 vidéos no Oui, oui. to irin dudu a afo fo onkel kame kenyan te fe video e kenyan cartonné irmi katel kande gudal borai ma'aikani kan dai nijar salatomia mai ma'aikani to kan cartonné de gabi de gabi de yati kalo kalo mm. oh. jar irgo ka kauno kwa borom ning te boro fe borom ning te ko rofe de ja mm. ir kuli girbe group for non kara mm. bindir ne irum za popora ko windi okay afa kan go gina trishan kalo da afa ningo go im ning se kalo afa ni im ning se tifo arango kalo oh. <laughs> okay o kan o kan go a triche kai kalo da ni bai din da kalgo ni popora ga non ko kalo kalo kalo oh. bandu mo daga mili ga fono me visa visa go canada ne se va matana mm. <laughs> ok ngi de no cartone go e ma ngi no cartone tor ma wona o son est-ce que aran gonde cheyan pour que bora mi di aran se aram dugu ton parce que aran vous êtes jeune vous avez de l'avenir parce que aran sintin de hinay quoi

Et puis, ko on a besoin de sponsor là. on est montarino montarino super Tirez par Mati mesdames et messieurs sur l'émission tout ça la fada mais c'est ça euh, pour vous dire que cette émission est consacrée aux jeunes aussi il n'y a même pas de souci. Nous sommes ensemble, c'est comme ça que ça se passe. Ils représentent le village de Goudel, sur cette émission. Alors, mm. On va finir avec toi, mm. parlons des pages, mm. que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, de la formation Trip. Et on va finir avec un message, un message qui vient du fond de toi, c'est important. Tu as la parole. L'instant est solennel. Trip Mamati s'exprime. Pour commencer, il ne s'agit pas de nous seulement. Hein. Genre Niger, comédien, il hein et ils ont du talent. Voilà, ils ont du talent. Juste Gako Daini du quoi. d'où il sait Gako faut nous, on sera loin. On va sortir le Niger. Voilà. Le nom du Niger, là, sera au top, Inch'Allah. On croit en nous. Ainsi, par la formation Trip Mamati sur l'émission Tous à la Fada. Merci, Moustaphe, pour l'organisation. Nous sommes ensemble. Big up aussi Bien évidemment, à Saka, qui est aussi à la réalisation de cette émission. Restez en compagnie du programme du studio Kalangu, tout ça la fada. La continuité, c'est dans un instant. Ni Ni <laughs> Ni